forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum d'Issidio studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme d'Issidio studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum d'Issidio studio Kalangou a pour thème promotion des produits bio au Niger Jetta enjeux, défis et difficultés. La production maraîchère bio, abréviation du biologique pour définir une production sans utilisation d'engrais chimiques ni de pesticides de synthèse, cela marche du moins avec certaines femmes productrices ou certains groupements féminins au Niger. L'agro-industrie est très présente et la plupart des producteurs ont un accès aux intrants chimiques et aux pesticides. En dépit de la réglementation en vigueur en matière de commercialisation des intrants chimiques, les producteurs nigériens s'approvisionnent très souvent sur les marchés locaux ou au niveau des multiples firmes de commercialisation de ces produits avec des conséquences écologiques parfois dramatiques sur les écosystèmes naturels, pollution des eaux, destruction de la faune et de la flore, etc. Avec avec euh, nos invités, nous allons voir les enjeux et la nécessité euh, de la promotion des produits bio au Niger, les avancées et les difficultés. Nous avons donc le plaisir de recevoir au téléphone Jibo Banya, président de la plateforme paysanne au Niger, Pauline Draman, vice-présidente de la Chambre régionale d'agriculture de Niamey et productrice de compost, et Suleiman Ousmane de l'initiative Beau, Bon et Bio I3B. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Si la ligne est bonne, on va aller vers Jibo bagna en quoi consiste l'agriculture biologique euh, Bonjour. Je voudrais d'abord euh, vous remercier d'avoir organisé ce forum qui permettent d'éclairer les gens sur la production bio. En fait, la production bio, c'est cette production qui, comme vous l'avez si bien dit à l'introduction, qui ne met pas en avant les pesticides. C'est-à-dire, c'est une production naturelle, c'est une production qui, de par sa nature, utilise des fumures organiques ou toutes sortes, en tout cas, de fumures et qui n'est pas orientée vers les engrais. Alors, euh, il faut reconnaître qu'il fut un certain temps, cette culture bio commence à prendre de l'ampleur parce que les politiques ayant poussé les gens à une production massive a commencé à montrer ses limites. Alors, a commencé à montrer ses limites parce que les analyses montrent que euh, certaines maladies aujourd'hui que nous connaissons, qui commencent à nous fatiguer, sont en grande partie issues de l'alimentation. C'est-à-dire, quand vous regardez aujourd'hui, la plupart des gens sont soit diabétiques, sont soit hypertendus ou d'autres maladies, alors qui font que les gens commencent à se méfier. Les gens qui nous ont poussés à aller vers cette production massive, c'était une production euh, orientée vers le marché, et ça, ça découle aussi des effets de la guerre mondiale. Parce qu'au sortir de la guerre mondiale, il n'y avait pas de nourriture, il fallait produire massivement pour la population. Et c'est comme ça que les gens se sont organisés pour découvrir des engrais permettant d'augmenter la production. Alors, les difficultés auxquelles on fait face, c'est non seulement la dégradation des ressources naturelles, c'est non seulement l'occupation abusive euh, des espaces, c'est aussi un travail sociologique puisque on travaille le social, le mental des gens pour orienter les gens vers des produits qui ne sont pas nos produits, qui sont en tout cas à euh, travaillés dans des conditions pas normes. Alors du coup, les gens commencent maintenant à eux-mêmes euh, se rendre compte que ce qu'ils sont en train de faire euh, est en train de les rattraper. Donc c'est l'histoire qui a rattrapé les gens. Et comme ils veulent nous pousser chaque fois vers des modèles qui ne sont pas des modèles adaptés à notre contexte, de temps en temps aujourd'hui, la société civile africaine commence en tout cas à euh, renier en tout cas cette manière de faire, commence à remettre en cause cette manière de faire et commence à pousser les gens vers l'agroécologie, vers la production biologique, parce que c'est ça qui permet non seulement de garantir la gestion des ressources naturelles, c'est ça qui permet de garantir la santé, mais c'est ça qui permet aussi de garantir la durabilité. Jibo Bagna, quelle est l'importance de la consommation des produits bio pour la santé Bon, en fait, l'avantage de la consommation des produits bio, comme son nom le c'est-à-dire c'est des produits sains. Alors, quand vous consommez un produit sain, donc naturellement, vous allez agir sur le développement de votre organisme, vous allez agir sur la nutrition, vous allez agir sur la santé, mais également, vous allez agir sur la gestion des ressources naturelles elles-mêmes. Jibobanya, les agriculteurs biologiques peuvent-ils euh, produire assez pour nourrir tout le monde au regard de l'explosion démographique, la pression démographique oui, tout à fait. Euh, c'est-à-dire les gens peuvent aujourd'hui produire suffisamment en bio, surtout que nous, même si tu veux produire en grande quantité, la pauvreté parfois t'oblige à ne pas produire parce que l'accès aux engrais pose problème. Vous avez vu, par exemple, au Niger, le taux de consommation des engrais tourne autour de 3%. Alors, il suffisait tout simplement que les gens aillent euh, vers des techniques appropriées qui ne coûtent pas très cher. Et c'est clair que nous allons avancer dans notre logique. Parce que nous, dans notre logique, c'était des contrats de fumure qu'il y en avait. Vous allez avoir, chaque agriculteur avait un ami éleveur ou un éleveur avait un ami euh, agriculteur. Eux, une fois que la récolte est terminée, ils reviennent dans le champ et ils passent pendant longtemps, soit deux, trois mois, dans le champ en train de fumer le champ. Alors, ces contrats de fumure aujourd'hui, la mentalité, les comportements des gens et des autres est venu remettre en cause cette bonne cohabitation qu'il y avait entre l'agriculture et l'élevage. Donc du coup, aujourd'hui, ça nous renvoie à un autre modèle d'agriculture qui n'est pas, en tout cas, adapté à notre contexte. Alors, donc, il est possible aujourd'hui de faire la promotion de la culture bio ou l'agroécologie en ramenant cette manière de faire, c'est-à-dire le contrat de fumure qu'il y a entre l'agriculture et l'élevage, en utilisant avec nos charrettes ou les tracteurs, même pour ceux qui ont beaucoup de machines, pour amener les ordures ménagères dans les champs. On peut faire aussi du compostage. C'est des techniques qui ne sont pas très compliquées. Tout ce que tu peux ramasser, les feuilles, tout ce que tu peux ramasser, tu peux faire aussi du compostage. Mais également, on peut utiliser tout ce qu'il y a comme ordure et à partir de là, on peut fertiliser le champ parce que la aussi a besoin d'être fertilisée. Et l'avantage, c'est qu'une fois que vous passez par ces fertilisants, ça dure non seulement dans le sol, ça fixe donc l'azote, mais il y a aussi d'autres techniques, c'est-à-dire les cultures. D'autres cultures, on peut euh, faire les cultures associées. Avec les cultures associées, par exemple, le mil associé au niébé, ça permet non seulement euh, le, le, le permet de, de nourrir le, le, le, mil, donc vice-versa. Donc il y a des techniques aujourd'hui, euh, il y a les achères, il y a, il y a beaucoup de techniques aujourd'hui que nous pouvons utiliser pour non seulement préserver les ressources naturelles, mais pour garantir aussi la nourriture que nous voulons, qui est aussi la nourriture saine pour notre santé. vous est resté en ligne le temps de donner la parole à Pauline Draman, qui est la promotrice euh, du compost. Euh, Pauline Draman, qu'est-ce qui pousse à la consommation des produits biologiques euh, Merci beaucoup. Je tenais vraiment à vous remercier, à vous féliciter pour vraiment pour cette initiative. je reprends ici au nom de l'ACRA qui est la, chambre, de l'agriculture euh, de Niamey. Et comme vous le savez, qui regroupe vraiment tous ceux qui sont agriculteurs, éleveurs, euh, tous ceux qui s'occupent de l'environnement, de l'hydraulique, et qui a pour mission vraiment de défendre les, intérêts des producteurs ruraux, partout où ils sont, en tout cas dans la région de Niamey. Et aujourd'hui, euh, tout le monde parle de bio, de l'agriculture bio. Moi, je veux vraiment anticiper, parce qu'il est temps. Il y a longtemps, les gens ont pensé qu'avec les engrais chimiques, euh, ils pourront faire beaucoup de choses. Ça veut dire euh, éradiquer même la famine ici au Niger. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons vu que bien avec l'utilisation des engrais chimiques, au contraire, nos sols sont complètement lessivés. Et aujourd'hui, face à tous ces problèmes environnementaux, il faudrait nécessairement faire recours aux engrais organiques. Les engrais organiques qui vont non seulement euh, est-ce que tout le monde peut avoir accès aux engrais organiques euh, auxquels vous faites euh, allusion Bien sûr. Les engrais organiques, c'est quoi Chaque fois, moi, je le dis quand je forme les gens à travers tout le Niger, je dis c'est très facile de faire l'engrais organique, le compost en tout cas. Vous avez, Comment ça vous avez déjà votre fumier, vous avez les feuilles d'arbres qui sont là, vous avez de les feuilles mortes, les feuilles mortes, et vous avez des ordures ménagères qui sont là, triées. Mm. cherche un peu partout aux alentours de Niamey. Un peu partout autour de Niamey. Il suffit vraiment de les trier et de bien trier. Vous allez avoir euh, une sorte de mélange que nous appelons le turo. Et ce turo mélangé à ces éléments que je viens de citer, ça veut dire le fumier, les feuilles mortes. Mais vous avez déjà votre compost qui est là et que vous pouvez utiliser. Il suffit tout juste. ça, peut améliorer le rendement. Mais bien sûr, il suffit juste d'une bonne volonté. Parce que ce qui manque ici beaucoup, je le dis tous les jours, tout le temps, c'est la volonté. Il suffit d'avoir une bonne volonté pour se dire, je veux manger sain. Et si je dois manger sain, il faut nécessairement que je fasse des efforts. Peut-être que la production de, de, ce compost euh, demande euh, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Pas nécessairement. Alors que l'engrais, tu, achètes et euh, puis tu... Mais c'est cher tu vas payer l'engrais, mais l'engrais coûte excessivement cher. Et aujourd'hui, c'est un problème auquel les producteurs sont confrontés. La le compost, la, disponibilité et la charité. Alors qu'aujourd'hui, avec le compost, tout le monde, je dis toute personne de bonne volonté, que ce soit jeune, que ce soit femme, que ce soit homme, peut faire le compost. Parce que c'est vraiment très facile et le compost que nous nous formons, nous proposons, c'est en 21 jours. C'est déjà OK. Ça veut dire que ça va te demander non seulement moins d'efforts et moins d'argent. Et tu auras non seulement, euh, comment on appelle ça, euh, un bon rendement et la fertilité de ton sol au moins pendant 3-4 ans ton sol reste fertile. Et non seulement par rapport à ceux qui vendent l'oignon et autres là, mais ton produit reste conservable pendant longtemps. Ça veut dire que tu peux conserver et tu peux manger sain et tu vas avoir vraiment un bon goût. C'est gens, c'est bon et c'est bio. Donc c'est ce qui pousse les gens à consommer les produits bio. Mais bien sûr, aujourd'hui c'est recherché partout. Dès qu'on dit que vous vendez un produit bio, les gens courent vers vous qui vendez le produit bio. Aujourd'hui, si les gens ne le font pas, c'est par ignorance souvent on ne sait pas qui est qui, qui vend quoi. Et moi, je pense que euh, l'objet aujourd'hui de notre présent, c'est justement de faire connaître à tous les Nigériens qu'aujourd'hui, il y a des producteurs bio et des producteurs bio organisés. Avant, ils étaient là, mais on ne les connaissait pas. Mais aujourd'hui, au niveau de Niamey, surtout avec la CRA de Niamey et avec le, le RICA, on a pu vraiment développer cela. Et ces producteurs aujourd'hui se réunissent à chaque moment pour, pour parler pour échanger, discuter et voir dans quelle mesure il peut vraiment avoir les moyens nécessaires avec l'appui des partenaires pour pouvoir justement satisfaire. Est-ce que, ces produits est-ce que ces produits bio sont accessibles à la bourse du citoyen moyen Mais justement, aujourd'hui, ils sont vraiment accessibles parce qu'il faut nécessairement qu'on fasse la promotion. Faire la promotion, ça veut dire dire aux gens, venez. Et quand les gens vont goûter, et en ce moment, nous pouvons fixer notre prix. Mais aujourd'hui, moi, je ça reste abordable. Parce que tu viens au marché, ben, tu ne sais pas si c'est le bio ou Mais nous, pour créer la différence, on dit, voilà, c'est un produit bio, mais nous vous laissons ça à tel prix. Et c'est ça qui rapproche les gens. Il est là, je pense que Monsieur M. Souleyman va nous développer cela davantage. Chaque année, le Niger organise des foires, des salons de l'agriculture. Est-ce que les producteurs de produits bio participent à ces salons Mais bien sûr, en tout cas cette année, euh, la CRA et puis avec tous ces producteurs, ils ont organisé, ils ont fait un stand. Et un stand qui a même eu un prix. Donc pour vous dire que cela avance peut-être euh, pas à grands pas comme nous le voulons, mais ça évolue petit à petit. Et je vous dis, dans quelques temps, à Niamey maintenant, on fera la différence entre ce qui est bio et ce qui ne l'est pas. Et amener même tous ces producteurs à faire le bio, parce que c'est possible. Aujourd'hui, les engrais coûtent excessivement. Je reviens encore dessus. Ça veut dire que les gens peuvent s'organiser euh, et produire pour pouvoir vraiment accéder à cela. Madame Pauline, face à la prolifération des ennemis euh, des cultures, est-ce que les producteurs peuvent s'en passer euh, de l'utilisation des pesticides, par exemple Vous savez, les pesticides, il y a les pesticides, comme on dit, naturels, ah que tout producteur peut faire et que tout producteur ici à Miami et dans les autres pays savent faire. Naturellement. Naturellement il y a le tabac, il y a le nîmes, il y a beaucoup d'autres choses que les gens peuvent vraiment un mélange de tout cela, mais ton produit est protégé pour de bon. Et il y a le compost, parce que quand tu utilises le compost, déjà, beaucoup d'ennemis de culture n'osent pas s'approcher. C'est-à-dire, on a tellement d'éléments et puis d'opportunités que vraiment ces producteurs pourront vraiment, euh, en tout cas, euh, profiter pour pouvoir vraiment euh, en tout cas produire, produits sains et puis tu veux dire vraiment avoir un très bon rendement. Euh, Pauline Draman, on retrouve aussi deux autres raisons pour la qualité et les goûts des produits ainsi que pour la préservation de l'environnement. Est-il aujourd'hui facile de promouvoir les produits bio dans un pays aussi pauvre comme le Niger Vous savez, il y a longtemps, les gens pensaient que manger bio était un luxe. Mais nous, nous pouvons dire aujourd'hui non. Et le Niger en tant que pays, moi je le dis parce qu'en tant que productrice de, compost, je vois que beaucoup de grands producteurs aujourd'hui veulent en tout cas se diriger vers l'utilisation en tout cas du compost, ça veut dire produire bio. Donc je peux vous affirmer vraiment sans me tromper qu'aujourd'hui au Niger, on peut vraiment promouvoir cela. La production bio, mais comme je le dis, c'est l'ignorance pour le moment. Mais avec le temps, nous allons voir que tous les Nigériens, j'ai dit tous les Nigériens, parce que le Nigérien, avec des champs qui sont lessivés, complètement lessivés. Je vous l'ai dit, moi j'ai sillonné tout le Niger et on a vu ce qui se passe. Tous nos sols, les bonnes, en tout cas avant c'était des terres très bonnes, fertiles, aujourd'hui sont lessivés complètement. La région de Maradi, Difa, Tawa, Agadez, Zinder, euh, Zender, Tilabiri, Dosso, nous avons sillonné toutes ces régions et nous avons vu comment aujourd'hui ces producteurs ne demandent qu'à la fertilisation, l'amendement de leur sol. Et aujourd'hui, moi, je me dis que nous, notre appel, et je vais déjà commencer, c'est vraiment d'attirer l'attention de toutes les autorités pour que tout le monde se dise, aujourd'hui, il faut amender ces sols-là. L'engrais chimique, c'est faisable. L'engrais chimique, avant, on pensait que ça pouvait nous nourrir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si nos sols sont décivés, nos sols sont encore plus fatigués qu'avant. Ces sols que nos grands arrière-arrière-grands-parents ont, ont travaillé et que nous aussi, nous continuons à travailler. Et aujourd'hui, au lieu de l'amender avec les engrais organiques, nous sommes en train de l'utiliser, en gros, l'engrais chimique. Mais ça ne va pas. Aujourd'hui, tous ces sols, quand vous voyez, mais sont, sont devenus acides tous nos sols-là, quand vous voyez, ça ne va pas. Avec l'utilisation des pesticides, de l'engrais. Des pesticides, de l'engrais Parce que c'est ça. Parce que qu'est-ce qui a mené même aujourd'hui le, groupe euh, bio ici au Niger C'est cela. Parce que CRA eh, et, et, RECA avaient fait des enquêtes autour vraiment de tout Niamey. Et c'est là qu'on avait découvert que comment les gens utilisaient vraiment très mal euh, ces, pesticides, ces engrais. Et finalement, c'est l'environnement qui, qui, a des problèmes. C'est tout, en tout cas, c'est tout le monde, parce que les gens mangent mal et l'environnement est attaqué. Donc, comment faire maintenant pour que vraiment notre environnement, puisque les gens puissent vraiment manger sainement Mais c'est le, bio. On est de revenir aujourd'hui à une agriculture biologique. Suleiman Ousmane, en consommant des produits alimentaires issus euh, de l'agriculture biologique, euh, vous contribuez à la protection de l'environnement car ces denrées sont produites selon des pratiques respectueuses des ressources et du patrimoine naturel. Y a-t-il des mécanismes de promotion des produits bio au Niger euh, Historique, oui, je vous remercie aussi pour, euh, pour cette invitation. C'est aussi l'occasion pour nous, comme euh, elle l'a dit aussi, de, faire la promotion euh, des produits bio et aussi faire comprendre aux gens qu'il est possible de pouvoir vivre de la production agricole et en particulier de la production bio. C'est très possible de pouvoir vivre de ça et de ne faire que ça. C'est très possible parce que moi aujourd'hui je me présente comme agriculteur. Vous êtes agriculteur Agriculteur, mais pourtant j'ai fait des, des, des, hautes études. je me présente comme agriculteur parce qu'il est possible de vivre uniquement de son métier d'agriculteur. Comment vous, faites l'agriculture L'agriculture, c'est très simple. La plante, elle a besoin d'un certain nombre de paramètres pour qu'elle puisse produire. Tant qu'on respecte tout le processus, donc être dans un système intégré. Parce que ici, nous, les gens, l'État a poussé les gens ou bien comment on dit, le système a poussé nos agriculteurs à aller vers un système qui ne correspond pas avec eux, leurs mœurs, qui ne correspond pas avec les pratiques ancestrales. Donc cela veut dire qu'il y a une rupture. C'est comme l'exemple que vous avez donné avec le mil. L'introduction du mil peut créer ce genre de, réaction. voilà. Parce que s'il y a une rupture qui est faite avec ce que avant les gens faisaient, les bonnes pratiques, les bonnes pratiques avant que les gens faisaient, donc forcément, nous serons dans un système qui ne va pas produire. Et nous serons forcément dépendants. Imaginez aujourd'hui, il y a arrêt des exportations. Cette année, comment le Niger va répondre à sa demande d'engrais chimiques Vous voyez Aujourd'hui, on est dans, un, dans un, problème mondial. Les gens sont en train de chercher une solution face à une maladie. Mais comment les gens vont, vont trouver de l'engrais Qui va vous envoyer de l'engrais Personne. C'est parce que le système fait en sorte que chaque année, vous êtes obligé d'acheter de l'engrais pour amender vos sols. Donc vous devenez dépendant de notre pays qui n'est pas, pas le À l'échelle nationale, est-ce qu'on ne peut pas produire ces engrais ici Il n'est pas facile de produire. Ces types d'industries sont des industries tellement lourdes que même en Afrique, ce n'est pas n'importe quel pays qui est capable de répondre à ces demandes. Déjà, cette demande ne correspond pas à nous, à nos sols, parce que nos sols sont des sols du type, euh, comment on appelle, ferrugineux tropicaux. Ils n'ont pas besoin en tant que tel de, de ces minéraux. Parce que l'engrais, ce n'est qu'un minéral. Ils ont besoin de la matière organique qui va permettre de nourrir le sol, en fait. Parce que nous, nos sols, ils ont besoin d'être nourris. Et tant qu'ils sont nourris, on aura une bonne production. Maintenant, pour la gestion des, euh, comment on appelle ça, des ravageurs ou autre chose. Les, ennemis des cultures. les ennemis des cultures. En fait, ça, c'est juste de respecter tout le processus culturel. Parce qu'aujourd'hui, nos agriculteurs, ils sont dans une agriculture de, Ils laissent la place au hasard. Alors qu'un agriculteur, c'est comme un bureaucrate. Il a son planning d'activité, il sait, voilà, voilà, à tel moment je fais ça, à tel moment je fais ça. Et nous, chez nous, le bio, c'est la prévention. C'est la prévention avant tout. Prévention, prévention cela veut dire... que je traite mes plantes avec des, biopesticides. Donc, ce sont des extraits de nîmes, des extraits de tabac. Je traite mes plantes avec avant même que les ravageurs n'arrivent. Donc, dès qu'ils viennent, ils ne peuvent plus manger mes plantes. Cela veut dire que moi, je suis en mode prévention. Et ça, se pratique euh, actuellement ici au Niger Ça se pratique actuellement. Ça se pratique très bien. Moi, dans notre réseau, nous avons des gros producteurs qui ont des 70 hectares qu'ils gèrent et en mode biologique. Et ça marche très bien. Et ce sont des gens, je vous dis qu'aujourd'hui, ils sont capables de rivaliser avec les, producteurs qui sont dans le système classique. Et mieux même, leurs produits se conservent mieux que les autres. Nous l'avons prouvé. Durant la foire, nous avons amené des tomates. Elles ont fait une semaine. Elles ne se sont pas gâtées. Pas dans un frigo. À l'air libre. <laughs> à l'air libre, une semaine. Donc cela veut dire que pour quelqu'un qui cherche réellement à rentabiliser, c'est un enjeu. Quelqu'un qui, imaginez les petits commerçants, les petits détaillants dans les quartiers, ils peuvent acheter la tomate et ils savent que à la fin ils n'auront pas à verser la moitié. C'est ce qui se passe dans nos marchés. Allez faire un tour. C'est ce qui se passe. On nous amène de la tomate du Burkina, de la tomate du Nigeria. 50% sont déjà à la base. Trois jours après. Ils sont déjà gâtés. Cela veut dire que même la durée de la conservation de nos produits sont différentes. Suleiman Ousmane, le maintien de la fertilité et de la structure des sols par, des pratiques adaptées, rotation, engrais verts, amendement naturel, la préservation de la vie dans le sol, la non-utilisation des produits chimiques. Les producteurs nigériens peuvent-ils perpétuer cette dynamique-là Ils le peuvent. Ils le peuvent s'ils prennent l'agriculture comme un métier, pas comme un fardeau. Parce que l'agriculture, c'est un métier. Et nous, à travers cette initiative, c'est que c'est de regrouper ces acteurs qui, pour eux, l'agriculture, c'est un métier. Parce que nous avons réuni autour de la table l'idée, peut-être pour revenir à un peu l'historique de l'initiative, l'idée est venue, c'est juste dans une formation. On était là pour une formation sur les biopesticides. Mais plus de 50% de la salle étaient des producteurs bio. Nous, on était venus à la formation, mais c'était une formation sur les pesticides chimiques, les dangers des pesticides chimiques. Nous étions venus nous informer sur les dangers. De Maintenant, c'est à travers ça qu'après, il y a eu des échanges et l'initiative s'est lancée comme ça. Il y a eu la CRA du il y a eu le RECA, il y a eu d'autres entreprises privées qui se sont réunies. Il y a eu des producteurs individuels qui étaient déjà dans le bio, qui se sont regroupés autour de la table pour se dire, OK, au Niger, mais tout le monde dit qu'il fait du bio. Mais comment savoir que je fais du bio c'est une question qu'elle a, elle a bien développée. Tout le monde dit je fais du bio, je fais du mais comment savoir réellement que vous vous faites du bio, elle elle fait du bio, moi je fais du bio. Donc il faudrait que tous les acteurs se réunissent autour d'une structure commune et autour de ce qu'on appelle un label. Parce qu'en Europe, tous ceux qui font du bio, parce que nous nous sommes inspirés de l'Europe, nous avons vu que leur système ne correspond pas avec le nôtre. Nous avons pris le Burkina, nous avons pris le Sénégal, nous avons vu ce qu'ils ont fait. Donc eux là-bas, ils ont créé ce qu'on appelle un SPG. Donc c'est un système participatif de garantie. Vous qui êtes consommateur, moi qui suis producteur, les revendeurs, nous sommes tous garants de la qualité des produits. Cela veut dire que vous qui êtes consommateur, si je vous livre aujourd'hui un produit et que vous voyez qu'il y a un problème dessus, ou bien vous, vous sentez que la qualité ne répond pas, vous pouvez aller vous plaindre au niveau de la structure pour dire que tel producteur, il m'a envoyer tel, tel. En fait, vous êtes aussi garant, juge par rapport à la qualité des produits. Le consommateur, imaginez, est juge. Aujourd'hui, quand vous partez au marché, vous achetez des tomates pourries. Chez qui vous allez vous prendre Chez personne. Nous, nous mettons en avant ce système participatif de garantie qui permet à ce que tous les acteurs soit responsable de la qualité des produits. Suleiman Ousmane, il est euh, aujourd'hui facile de, retrouver de l'engrais chimique, des pesticides au niveau de plusieurs points de vente. Est-ce qu'il est aujourd'hui, il est aussi facile euh, de trouver des, pesticides bio, euh, des engrais bio un peu partout à Niamey Ok, en fait. l'avantage du bio, c'est que ce n'est pas un produit que vous allez très souvent acheter. Aujourd'hui, vous le produisez vous-même. Si aujourd'hui vous avez le temps, vous pouvez le produire vous-même. Mais sinon, il y a déjà des spécialistes qui sont là. Par exemple, pour le compost, il y a pas mal de gens qui en font. Madame Pauline en fait, le FCMNI en fait. Beaucoup de gens produisent de grandes quantités de compost. Mais l'intérêt aujourd'hui, c'est que vous-même, à travers des formations très faciles, vous pouvez produire du compost. Le biopesticide, ce n'est que du Nîmes. Vous pouvez aujourd'hui aller avec une petite formation vous pouvez produire vous-même votre biopesticide. Parce que nous, à travers l'initiative, nous mettons aussi en avant l'auto-formation. Parce qu'il y a des manuels pour tous ces, ces, différents éléments. Comment faire du biopesticide, comment faire, le, comment on appelle ça, produire du compost, comment faire. Mais si c'est sur des grandes surfaces, vous êtes obligé d'aller vous allier avec des producteurs qui sont déjà là. Aujourd'hui, si vous voulez du, du biopesticide, vous pouvez directement commander. Nous, chez nous, il y a des producteurs, ils appellent, ils commandent, je veux 25 litres, je veux 30 litres de biopesticides et puis ils achètent. L'huile de Nîmes aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, l'huile de Nîmes qui est très recherchée aujourd'hui, c'est uniquement les producteurs qui sont dans la production agroécologique, dans la production biologique qui la fabriquent au Niger. Ce n'est pas les autres qui la fabriquent. Et eux-mêmes, ils viennent acheter avec nous. Jibobanya, comment les filières biologiques peuvent-elles contribuer à la création de richesses et d'emplois euh, Merci. Bon, je voudrais d'abord, euh, après avoir entendu ce que Pauline et euh, l'autre collègue a dit, faire quand même quelques observations. oui, <coughs> alors je voudrais dire que après avoir entendu les, les deux collègues, je voudrais quand même revenir sur un certain nombre de points sur lesquels je crois qu'ils ont insisté. Et de mon point de vue, aujourd'hui, euh, nous devrions regarder qu'est-ce qui fait que la production a baissé. Je crois que Pauline l'a véritablement bien expliqué. C'est que les sols sont complètement lessivés. Alors, l'usage des engrais, malheureusement, jusque-là, les gens ont toujours utilisé les engrais sans un accompagnement adéquat. C'est-à-dire que vous allez partir dans une zone B où peut-être que le sol n'a pas besoin d'urée et que vous venez, bon, vous, on vous a dit seulement avec les engrais, on peut augmenter la production et puis vous vous mettez à mettre de l'urée. Alors, au lieu de, faire en sorte que le sol puisse avoir ce dont il a besoin, vous allez lui apporter le contraire. Donc, vous contribuez à détruire encore ce sol qui est déjà fatigué. Ça, c'est un premier élément sur lequel je veux insister. Et, c'est pour cela que d'ailleurs, à travers euh, donc le, le, nouveau programme euh, des engrais, nous avions exigé à ce qu'il y ait une analyse des sols pour montrer aux gens quelles sont les caractéristiques de nos sols. Et je pense que les instituts aujourd'hui, comme l'INERAN, comme l'ICRESAT et d'autres, peuvent nous aider aujourd'hui à disposer des informations par rapport à la composition de nos sols. Le deuxième élément, c'est les producteurs eux-mêmes. Donc aujourd'hui, nous avons créé des centres de formation pour que les gens aient une certaine notion de leur activité alors, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, un producteur a besoin de comprendre son sol. Il a besoin de comprendre le développement, en tout cas, de ses semis. À quelle période il doit s'aimer, comment il doit s'aimer, qu'est-ce qu'il doit s'aimer. Et il doit aussi être un producteur orienté vers aussi les profits. Donc, il doit euh, produire ses produits pour un marché bien donné, bien organisé, bien structuré. Et lui-même, il doit structurer sa production. C'est-à-dire, je ne dois pas produire n'importe quand je ne dois pas produire n'importe où et je ne dois pas, en tout cas, présenter ma production n'importe comment. Donc tout ça là, ça rentre dans les types de formation. Nous avons un centre de formation à, à et d'ailleurs Pauline était là-bas. Ça c'est euh, un élément important. L'autre élément qui me paraît aussi fondamental, c'est qu'aujourd'hui, le goût des produits, euh, je crois que je ne sais pas qui était revenu là-dessus, le d'un produit bio est totalement différent d'un produit qui a été véritablement un produit issu des, engrais. Vous prenez dans le temps la patate douce, rien que la patate douce, dans le temps, eh, quand vous allez dans le vous allez vers Baleara. Cette patate-là, elle a même du lait. Quand tu la prends, c'est tellement sucré. Aujourd'hui, il n'y a rien dans ça. Vous prenez la canne à sucre aujourd'hui. Dans le temps, la canne à sucre, vous prenez la canne à sucre, vous goûtez, vous-même, vous sentez que c'est véritablement la canne à sucre. Mais aujourd'hui, il n'y a rien du tout ça. C'est pas sucré, ce n'est pas bon. Et l'autre élément, c'est qu'on n'arrive pas à conserver ces produits. Donc, on a cette question de, de sol, on a cette question euh, de durabilité, on a cette question euh, de goût. Bon, maintenant, comment les filières peuvent aider Comment les filières biologiques peuvent-elles contribuer à la création de richesses et d'emplois Voilà, bon, je vous, donne un exemple. J'ai eu la chance de visiter euh, le Burundi et le Rwanda. Vous allez au Rwanda ou au Burundi, vous allez trouver des industries de compostage. Vous allez trouver des gens qui sont organisés. Moi, j'ai rencontré un producteur qui a 400 fosses compostières. Alors, donc, quand vous arrivez là-bas, si vous avez besoin de 20 tonnes de compost, eh bien, il est prêt à vous le servir sur le champ. Alors, là-bas, comment ils ont fait Donc, ils ont des zones où on produit le compostage, mais ils ont aussi un mécanisme pour ravitailler les producteurs de compost. Alors, donc, toute la production est organisée, de la semence au compost, à la récolte, au marché, il y a un mécanisme qui a été mis en place. Le producteur, il est au centre du dispositif. C'est vrai qu'ici au Niger, nous ne sommes pas organisés au point où aujourd'hui qu'il y ait des producteurs uniquement de, de compost. On ne l'a pas. Donc l'idée, et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons créé une plateforme qui s'appelle Rai Karkara, qui est aujourd'hui en train de travailler pour que non seulement les gens aient cette conscience d'aller vers le bio, parce que ça permet, comme je l'ai dit, de, de faire revivre le sol, mais également ça permet de préserver, en tout cas, la population de certaines maladies qui aujourd'hui est en train vraiment de nous causer. Donc, au point de vue structuration, si on les structure, ils peuvent créer non seulement de l'emploi, ils peuvent créer, jouer un rôle dans la santé, ils peuvent jouer aussi un rôle dans l'économie. Parce que moi, ce que j'ai vu là-bas, c'est toute une filière qui est organisée et qui est en train vraiment de faire des affaires, pas des moindres. Pauline Dramana, euh, manger bio, c'est redonner euh, sa place à l'alimentation dans la vie quotidienne, à ton coutume de le dire. Avez-vous le soutien ou l'appui du gouvernement nigérien dans ce sens merci beaucoup, mais je voudrais juste euh, revenir sur certains points du président Jibo, que je tiens vraiment à saluer, parce que nous avons vraiment travaillé beaucoup ensemble. bonjour, Monsieur Jibo. et merci encore pour toutes ces contributions-là et pour ces initiatives que vous développez à travers le Niger. Je tenais juste euh, à rectifier. Au Niger, si vous avez besoin de 20 tonnes, 100 tonnes, Madame Pauline est prête à vous les livrer. Hein. Le gouvernement nigérien vient de commander 450 tonnes et nous avons livré à travers tout le Niger. Les huit régions ont reçu leur tonnage. Euh, le gouvernement nigérien a commencé à nous accompagner depuis 2009 à travers la HASA, la Haute Sécurité Alimentaire et aujourd'hui avec euh, Initiative 3N. Ça veut dire que, comme je viens de le dire, le Niger, c'est vrai que les autorités, ils sont vraiment, elles sont vraiment prêtes à s'impliquer dans ces genres d'initiatives. Quitte maintenant à voir ceux qui sont proches de nous, quand je dis ceux qui sont proches de nous, dans les filières dans lesquelles nous sommes, quitte à eux maintenant de faire vraiment la promotion de ce que nous sommes en train de faire. Je viens de dire tout à l'heure, il y avait une commande du ministère c'est le ministère même qui, avec la, comment on appelle ça, la PPAO, euh, avec PPAO, se sont dit pourquoi ne pas appuyer les producteurs en compost au lieu de les appuyer en, engrais chimique. D'une façon, c'est rare, il n'y en a même pas. Ah, en dehors du gouvernement, vous avez d'autres partenaires Oui, j'allais en venir. Aujourd'hui, je viens de parler tout à l'heure des producteurs qui commencent vraiment à s'intéresser à ce que nous sommes en train de faire beaucoup ne nous connaissaient pas, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, même, on me dit, il manque la communication par rapport à votre activité. Et là, ils ont raison. Mais pour vous dire, tous ceux qui ont appris, parce que c'est de bouche à oreille, nous, nous faisons les deux. Nous fabriquons et en même temps, nous formons. Souvent, on me dit, pourquoi vous formez les gens alors que vous vendez J'ai dit, il faut que les gens sachent ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'un producteur, s'il sait ce que tu es en train de faire, je pense qu'il a plus confiance en toi pour te dire voilà ce que nous sommes en train de faire. Et maintenant, il peut vraiment s'approcher de ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir vraiment améliorer surtout leur, euh, leur sort. Ce que je, voudrais dire par rapport à cela, les, producteurs privés sont vraiment proches de Et aujourd'hui, je me dire, euh, en tout cas, ceux qui, avec qui vraiment nous travaillons, c'est surtout ceux qui s'intéressent à la formation il vient de le dire, nous voulons vraiment former les gens pour que les gens puissent vraiment apprendre d'eux-mêmes. c'est vrai, quand tu as des grandes, euh, je ne sais pas, euh, des grands espaces, en tout cas des, cultures, souvent, tu n'arrives pas à mander avec ta propre production. Et c'est là que nous, nous intervenons. Vous avez Ottawa, il y a un producteur qui me dit, mais madame, nous qui avons des hectares et des hectares, vous pensez que notre petite production peut vraiment euh, satisfaire tout notre, en tout cas nos cultures J'ai dit non. Mais là, vous pouvez vraiment faire appel à nous. C'est là que nous intervenons. Donc, en fait, nous sommes sur les deux points. Nous formons des gens pour qu'ils apprennent, parce que c'est des techniques très simples, comme M. Jibo vient de le dire. Nous avons appris aux producteurs pratiquement de toute la région de Tilabéry, euh, qui font partie vraiment justement en tout cas des, des organisations. Et nous sommes prêts vraiment à le faire. Pour vous dire que les producteurs, que ce soit les producteurs privés, que ce soit l'État, donc nous allons certainement revenir dessus, pour voir vraiment dans quelle mesure nous pouvons dire comment, en tant qu'autorité, ils peuvent s'impliquer davantage pour faire connaître le compost. Euh, Suleiman Ousmane, euh, quels sont euh, les obstacles ou encore vos difficultés sur le terrain <coughs> Je vais aussi un peu revenir à ce qu'elle a dit. par rapport au, comment on appelle ça, au phénomène du, du, compostage ou à la formation. En fait, ici, nous sommes dans un cadre où nous, par rapport à l'initiative I3B, je vous ai dit, c'est i 3 b c'est initiative, beau, et bio. bon et bio. En fait, l'initiative regroupe, il y a des entreprises privées. Par exemple, il y a la ferme Gouroubi. Lui, il est spécialisé dans la production de moringa, dans la transformation du moringa. Il y a l'entreprise Fazam, elle, elle fait de la formation agroécologique partout. Il y a aussi d'autres entreprises qui se sont réunies individuellement autour d'une table il y a aussi la CRA de Niamey, il y a, le RECA. Maintenant, tous ces acteurs-là se sont dit, OK, en matière de législation, qu'est-ce qu'il existe par rapport au bio au Niger Moi, personnellement, j'ai fait le tour des ministères. Les équipes ont été réparties pour faire le tour des ministères, pour faire le tour des institutions étatiques, pour savoir qu'est-ce qui régit le bio au Niger. Il n'y a pas. Donc il n'y a pas, de, il, a, pas, un cadre légal formel. Il n'y a pas un cadre légal aujourd'hui au Niger qui va vous dire <clears throat> par exemple, vous, vous faites du bio, ou bien moi, je fais du bio. Donc, nous sommes confrontés à cette limite. qu'il le faut Mais c'est impératif parce que tout le monde dit que je fais du bio. Mais comment savoir que vous faites du bio Il y a une seule chose qui peut différencier les gens. C'est ce qu'on appelle le cahier de charge. Et c'est le, à travers euh, le soutien du PROMAP aussi, parce qu'il y avait aussi euh, un membre du PROMAP, M. Promap. Oui, lui, il est, retourné maintenant. Voilà, mais ils nous ont soutenus c'est la coopération euh, allemande. Ils nous ont soutenus à travers, vraiment volontairement, je tiens à le dire, tous ces acteurs-là sont venus autour de la table volontairement. Il n'y a aucun intérêt d'abord financier autre, c'est que c'est de répondre à un besoin. C'est qu'aujourd'hui, parmi nous, il y a des producteurs qui ont eu des commandes même en Europe pour livrer leurs produits. Mais qu'est-ce qui s'est passé Oui, le Moringa. Qu'est-ce qui s'est passé C'est que les Européens ou bien les Chinois les ont demandé est-ce que vous êtes certifié ils ne sont pas certifiés. Pour être certifié, il faut avoir un cahier de charge. Et pour avoir le cahier de charge, il faut être regroupé autour d'un même processus de production des biologiques. Et ça n'existe pas au Niger. Donc vous voyez que nous, nous avons été forcés de nous regrouper autour de la table pour venir rédiger ce cahier de charge. Le cahier de charge va permettre à ce que vous qui vous dites, OK, moi je vais me lancer dans l'agriculture biologique, au lieu d'aller chercher par-ci, par-là comment faire l'agriculture biologique, vous prenez juste le cahier de charge, il vous donne tout le processus nécessaire pour produire une tomate, par exemple, hein, bio. Alors rapidement, Suleiman Ousmane, quelle est votre contribution en tant que structure du domaine et quelle est la contribution des ONG et associations pour la promotion des produits bio au Niger rapidement Les produits bio aujourd'hui, il y a beaucoup, pratiquement toutes les ONG font la promotion des produits bio. Mais réellement, il y a un problème, les gens ne méconnaissent ces produits-là. Parce qu'aujourd'hui, même si je fais du bio, s'il n'y a pas une valeur ajoutée, si mes produits ne sont pas labellisés, cela veut dire qu'il n'y a aucune différenciation par rapport à mes produits, euh, entre mes produits et les produits des autres. Il n'y a aucune différenciation. Cela veut dire que je vais vendre au même prix, je vais être soumis à la même rigueur sur le marché et pratiquement j'aurai la même rémunération. Alors qu'aujourd'hui, les produits bio sont des produits qui sont censés réellement pouvoir répondre à une certaine demande. Cela veut dire qu'une certaine la population veut manger des produits qui sont sains, des produits qui sont de bonne qualité, des produits qui se conservent plus longtemps. Et ils sont prêts à mettre peut-être 25 francs ou 50 francs de plus que sur l'autre kilo de, de, tomates. C'est bien normal. Jibobanya, euh, quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour une meilleure promotion des produits bio au Niger rapidement en une minute Bon, moi je voudrais juste d'abord remercier tous ceux qui sont en train de faire la promotion des produits bio et rappeler aux gens que c'est vrai que nous devrions être tournés vers l'État, parce que toute initiative, s'il n'y a pas le soutien de l'État, c'est clair que ça va être difficile à ce que ça puisse s'ancrer. Donc nous avons besoin aujourd'hui, à travers nos politiques nationales, euh, en matière de sécurité alimentaire, que cette notion agriculture bio soit prise euh, véritablement en compte. Le deuxième élément, donc, il y a des synergies, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interventions, beaucoup d'initiatives. Là aussi, il faut qu'il y ait une synergie. Nous, nous avons créé une plateforme Raya Donc, nous devons aujourd'hui nous mettre ensemble pour que chacun puisse euh, dire voilà moi ce que je suis en train de faire et on le met ensemble. Plus on le met ensemble, plus ça devient grand, plus ça devient important. Le troisième élément, c'est la communication. Nous avons besoin de vous autres, par exemple les médias, pour que les gens puissent comprendre que Aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont en train de travailler sur les bio. Et pourquoi pas créer même un comptoir par rapport aux produits bio Si aujourd'hui on sait que les produits bio sont trouvés à tel endroit et que dès qu'ils arrivent euh, ces produits sont là, j'imagine que ça peut permettre en tout cas de faire la promotion. Et l'autre élément, c'est que c'est par rapport, euh, comme il l'a dit, par rapport euh, à la reconnaissance même des produits bio. Donc, je pense que nous pouvons faire des propositions. Je crois que l'IRA est en train de travailler dedans. Nous pouvons leur faire des propositions pour qu'il y ait une législation par rapport aux produits bio. Parce que plus les produits bio sont protégés, plus ça leur donne de la valeur. Et plus ils ont de la valeur, ça attire les gens. Parce que l'avantage, c'est que ça permet de jouer sur la santé. Et ça permet de préserver aussi nos ressources naturelles. C'est ça la différence. Et je pense que c'est important pour nous. Merci beaucoup, Jiboubania. L'absence de l'utilisation des produits chimiques de synthèse, tels que les engrais azotés, les pesticides, réduit le coût de dépollution de l'eau. Ainsi, la qualité sanitaire des produits bio contribue à la santé des consommateurs et n'engendre pas de coûts supplémentaires pour la santé publique, tels que les cancers Liés à l'usage des pesticides. Nous sommes au thème de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir au téléphone euh, Jibo Bagna, président de la plateforme paysanne au Niger, Pauline Draman, vice-présidente de la Chambre régionale d'agriculture de Niamey, euh, productrice euh, de compost, et Suleiman Ousmane de l'initiative Beau, Bon et Bio I3B. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme programme du studio qui vous parviennent grâce à nos 41 radios partenaires. Merci aussi à la technique euh, côté son assuré par Saini Isaka et côté vidéo Mustafa Ayouba. Merci, au revoir.